forum Le forum du studio forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum d'Issidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.istudiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio Kalangou a pour thème Comment former les militants des partis politiques dans la dynamique des réseaux sociaux au Niger. L'ordonnance portant charte des partis politiques au Niger à son article 2, premier alinéa, précise que les partis politiques ont l'obligation d'assurer la sensibilisation et la formation de leurs membres et de contribuer à la formation de l'opinion en vue de la préservation et de la consolidation de l'unité nationale, de la démocratie, de l'état des droits, de la paix, de la sécurité et du développement économique social et culturel du Niger. Le Niger poursuit sa révolution numérique dominée ces cinq dernières années par un afflux des citoyens vers l'utilisation des smartphones pour accéder à l'Internet et plus spécifiquement à les réseaux sociaux et autres plateformes de réseautage social. Le débat politique qui s'est invité sur Facebook et WhatsApp a vu la construction de groupes de discussion dont certains charrient plusieurs milliers de membres. Ce à la solde des politiciens, non de modération que dans le seul sens, c'est-à-dire euh, tout ce qui est publié en défaveur de l'adversaire est accepté et partagé largement vers les autres groupes et profils suivis de commentaires les uns plus virulents que les autres. Les propos ordurieux sur des hommes d'État, des photomontages, de la calomnie, l'atteinte à leur vie privée, tout y passe et est d'ailleurs la pratique la plus partagée et la plus commune sur Facebook. Avec euh, nos invités, nous allons parler de l'importance de la formation des militants des partis politiques et un usage rationnel des réseaux sociaux au Niger. Pour ce faire, nous avons dans ce studio Adamou Ide, secrétaire à la communication du bureau politique national du MNSD Nassara, un parti de la mouvance au pouvoir. Adamou Ide, bonsoir. Bonsoir. Bana Ibrahim du Modène Falumana, membre du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR. Ibrahim Bana, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Tahirou Gimba, président du mouvement démocratique pour le développement et de la défense des libertés, modèle Maekata, membre du groupe des non-affiliés. Tahirou Gimba, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous avons Dr Badjehima, philosophe et militant des droits de l'homme. Dr Badjehima, bonsoir. Et bonsoir à vous tous et puis bonsoir à tous vos auditeurs. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Docteur Badjihima, 28 ans après la conférence nationale souveraine, quel constat dans la gestion et la gouvernance des partis politiques au Niger Très bonne question. D'abord, je voudrais euh, vous saluer vraiment pour l'initiative euh, Bon Vent à la radio Kalangou et je voudrais aussi et surtout saluer Adamouide, Bana, que je ne connais que sur les réseaux sociaux, c'est le sujet du jour. <laughs> Et Taïru Gimba aussi, je me rappelle bien de lui, et donc vraiment toutes mes amitiés. Alors, je pense que c'est une question importante que vous posez là. Quel bilan on peut faire Quel constat on peut faire Je crois que le premier constat que moi je fais, observateur à distance, observateur neutre et indépendant à distance, j'ai travaillé longuement aux côtés, en tout cas, de l'ensemble des autres forces dans les domaines des droits de l'homme. Mes constats sont les suivants. D'abord, euh, je constate euh, que les rapports entre l'État et les partis politiques euh, sont restés anormalement tendus tendu et cela impacte sur le tissu social. Ces rapports-là sont restés tendus, bien évidemment, en raison de plusieurs euh, dossiers ou de l'implication présumée de plusieurs leaders de partis politiques dans des dossiers socio-économiques qui font que les rapports sont restés tendus et cela a un impact négatif. Le deuxième constat que je fais, est l'alternance à l'interne est presque nul. Ils sont combien les partis politiques Vous parlez de 28 ans. Et pour la majorité, c'est les présidents fondateurs qui restent toujours à la tête de ces appareils politiques qui sont des appareils démocratiques depuis 28 ans. Le troisième constat, quand on regarde un peu les rapports euh, de la Cour des comptes, les rapports successifs bien évidemment, qui montrent que les partis sont, ils sont pas nombreux. Je ne dis pas que ça, ça n'existe pas, mais ils sont pas nombreux à être très soucieux du respect des textes et des contraintes que la loi leur impose en termes de rapports réguliers, en termes de transparence, en termes de, renouvellement des instances. Ils sont combien les partis politiques aujourd'hui qui organisent les congrès de renouvellement, et pas plus d'une dizaine sur les 100, 150 ou 200 partis politiques qui existent. Alors, bien évidemment, et cela est de nature à impacter sur la gouvernance. Un autre constat, et non des moindres, Mokhtar et chers amis du sur la table. Et je constate, moi, en 28 ans, que les distinctions idéologiques qui doivent distinguer les partis politiques, les distinctions idéologiques sont presque nulles aujourd'hui. Et bien évidemment, quand on regarde sur le terrain aujourd'hui, Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le MNSD, le Lumana, le PNDS sur le plan idéologique Je ne connais pas. Et donc aujourd'hui, il est difficile de distinguer les familles idéologiques, ce qui est extrêmement important. Je constate encore, peut-être le dernier constat, la représentativité sur l'ensemble du territoire. Je constate que les partis ils sont nombreux, les partis dont la territorialité ne dépasse pas les frontières de Dosso. Et donc, cela, quand même, me paraît être en tout cas un constat d'une malgouvernance interne des partis politiques. Et je crois que ce sont des choses que les partis doivent travailler fondamentalement à corriger. Bien évidemment, il y a des représentants des partis politiques. Euh, je serais très très content de les entendre sur l'ensemble de ces questions-là. Docteur Bagihima, dès les premières heures de la démocratie pluraliste, le Niger a choisi le multipartisme intégral. Et qui dit multipartisme intégral dit création de nombreux partis politiques. La pléthore des partis politiques ne pose-t-elle pas de problème de gouvernance alors, pléthore, euh, puisque nous avons choisi le multipartisme intégral. Bien évidemment, moi je suis un philosophe, et donc j'estime que la liberté politique et par-delà la liberté humaine, c'est la chose la plus belle sur Terre. La créature la plus belle sur Terre, c'est la liberté. Et donc liberté politique, liberté humaine. Cependant, la prolifération, il faut même choisir le mot, des partis politiques nous en sommes à combien Je voudrais bien que IDE, Bana ou bien Gimba me euh, donne un update sur euh, le nombre actuel euh, de partis politiques aujourd'hui. Pour moi, pour moi, cette pluralité, c'est vrai, il y a la liberté politique que moi j'affectionne. Je dis bien, c'est la chose la plus belle sur Terre. Mais la prolifération me semble être le symptôme des mal-être démocratique. Symptôme d'un mal-être démocratique parce que si vous voyez un peu du point de vue, suivez mon regard, du point de vue de la démocratie interne au niveau des partis politiques, vous avez beaucoup de partis politiques qui ont donné naissance à plusieurs autres partis politiques. La raison, elle est simple, c'est parce que tout simplement, la contradiction n'est pas la chose la mieux partagée, la mieux exercée à l'intérieur. Parce que la contradiction n'est pas la chose la mieux partagée et bien évidemment, dès qu'il y a opposition interne, dès qu'il y a dispute sur les idées ou sur la conduite, en cas des affaires du parti, on voit euh, certains prendre euh, leur bagage et aller créer un autre organe politique, un autre parti politique dont ils assureront bien évidemment la présidence. Et je crois que de ce point de vue-là, ce qu'il faut, c'est que à l'intérieur des partis politiques, que le débat contradictoire soit la valeur absolue. Et justement, parce que nous n'avons pas les mêmes idées, parce que nous n'avons pas les mêmes approches de la discussion, en tout cas, va sortir. Et c'est la discussion contradictoire qui fait le développement, en tout cas, d'un organe politique. Il faut aller dans ce sens, au lieu, bien évidemment, au lieu de créer tous les matins que le bon Dieu crée un nouveau parti politique. Adam les partis politiques ont l'obligation d'assurer la sensibilisation et la formation de leurs membres. Est-ce que vous vous soumettez à cet exercice au niveau de votre parti Bien, Mouktar. D'abord, euh, au nom du MNSD Nassara, que je représente ici, de son président et de tous les militants et sympathisants, je voudrais d'abord euh, souhaiter non seulement la bonne fête à Studio Kalangu, mais aussi à tous nos auditeurs à travers les 38 radios qui nous écoutent actuellement. Je voudrais également féliciter à distance notre collègue de discussion, Dr euh, Hima, pour son décor jugé très illustratif. Parce que même à distance, on a compris que c'est un citoyen nationaliste qui suit très bien la marche politique de notre pays, le Niger. Maintenant, il a posé des questions. À mon sens, au Niger, depuis l'avènement du multipartisme intégral, il faut savoir, Mokhtar, que les partis politiques se font et se défont. Donc aujourd'hui. Se font et se défont, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un parti peut naître, demain il peut disparaître, un autre va naître. Donc se font et se défont, c'est comme ça que je comprends la chose. Et ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même euh, euh, pendant la colonisation, avec l'avènement des partis politiques, vous savez comment ça s'est passé. Il faudrait lire, par exemple, euh, les documents pour comprendre cela. Depuis le RDA jusqu'à Sawaba, jusqu'au MSD ou quelque chose comme ça, c'était comme ça la marche politique du Niger jusqu'à l'indépendance. Maintenant, après l'indépendance, il y a une autre révolution qui est là. Je crois que c'est le même constat qu'on dégage. Maintenant, avant de répondre à votre question, je voudrais dire par rapport à votre thème que, bien sûr, aujourd'hui au XXIe siècle, et l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication est une avancée considérable, disons même significative, dans cette ère de la mondialisation. Tout le monde comprend cela, en tout cas. Donc, les NTIC regroupent les techniques utilisées dans le traitement de la transmission des informations, principalement de l'information de l'Internet et des télécommunications. Ainsi, la technologie numérique a atteint un degré de développement au point où elle est devenue une exigence du monde moderne à laquelle les hommes doivent s'y conformer. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de ce débat, concernant les intiques, concernant les Facebook, concernant les réseaux sociaux, en, les réseaux sociaux en général, on dégage beaucoup de sortes de, situations. Situations tant négatives que positives avec les Intik. Maintenant, concernant votre question que vous m'avez posée. La formation des militants. Oui, justement, à travers euh, les textes nationaux particulièrement la charte des partis politiques, il y a des impositions juridiques qui amènent les partis politiques à veiller sérieusement et régulièrement à la formation de leurs militants pour éviter évidemment certains débordements. Mais on se rend compte que lorsque les textes-là ont été élaborés, et vraiment, il n'y avait pas le boom des intiques. Donc peut-être que les textes n'ont pas tenu compte de cette nouvelle donne. Ça, c'est un constat. Et nous allons discuter de cela. Selon vous, il faut revoir, euh, il faut on les va, textes. On va, on va arriver à ça parce que certainement, dans le fond, nous sommes dans la forme maintenant. Certainement, dans le fond, vous allez poser des questions par rapport auxquelles nous allons répondre. Ça, c'est le texte national. À l'interne des partis politiques, vous avez les textes même qui régissent les partis politiques. Éventuellement, notamment le statut, le règlement intérieur, la charte et le programme de société. Bien sûr, chaque parti politique sérieux de son nom doit avoir à sa disposition ces différents textes. Et c'est à travers ces différents textes qu'il faut coiffer, n'est-ce pas, la formation de nos militants. Et au MNSD Nassara, nous veillons sérieusement au respect de ces dispositions. Donc vous formez vos militants Nous formons nos Vous les sensibilisez Je dis bien que les INTIC, c'est une nouvelle donne. Donc par rapport aux INTIC, il faut prendre d'autres dispositions. Ça, la question sera du côté de l'État, bien sûr. Et je dis bien que peut-être on en arrivera. Adamou Idé, il n'est pas rare de constater que des militants des partis politiques euh, s'invectivaient, euh, s'insultaient sur les réseaux sociaux. Comment l'expliquer Justement, il y a ce débordement. Ce débordement-là, peut-être que c'est le caractère de l'homme ce n'est pas les textes au Niger qui sont insuffisants. Non. Peut-être, moi, ce que j'ai compris au Niger, les Nigériens ne lisent pas assez. Et c'est ça notre problème, dont je suis membre, je suis aussi nigérien. C'est pas tout le temps que j'ai le temps peut-être pour la lecture. Mais moi, j'inciterai plutôt nos militants de tout boire. moi je ne dis pas du MNST seulement, de lire les textes de leur parti pour éviter certains débordements, pour éviter certaines cybercriminalités. Parce que moi, j'appelle ça cybercriminalité. Venir insulter, n'est-ce pas, sur WhatsApp, sur Facebook ou sur Twitter ou sur Internet, vous venez insulter vos, vos leaders. à quoi ça, ça, ça vaut respect Ce n'est pas du respect. Et c'est la faute. Vraiment, c'est la faute de la formation. Il faut de la communication, il faut de l'information, il faut de la formation. On doit davantage se former. Si on ne se forme pas, on n'est pas bon militant. C'est pourquoi j'ai dit, je félicite l'intervention à distance du docteur Hima. Chapeau à lui. Bana Ibrahima, l'Assemblée nationale a adopté mardi 25 juin en séance plénière le projet de loi portant euh, sur la lutte contre la cybercriminalité au Niger. Doit-on s'attendre à un changement significatif Bien, merci euh, Monsieur Mokhtar. Je me joins à ceux qui m'ont précédé pour remercier le studio Klangou pour euh, l'honneur que vous nous faites de participer à ce forum. Également, euh, remercier mes grands frères et tontons <laughs> avec qui je suis aujourd'hui sur le, autour de la table. Je voudrais remercier particulièrement docteur Hima Baye pour euh, sa disponibilité étant à distance et malgré sa charge de travail. Avant de répondre à votre question, Mokhtar. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit docteur par rapport à son diagnostic sur la situation des formations politiques, parce que je trouve que c'était très pertinent. Et je voudrais creuser un peu là-dessus sur euh, deux aspects. La question de, oui, la question de l'alternance au sein des formations politiques au Niger depuis l'avènement de la démocratie et aussi euh, le problème de formation politique des militants à l'intérieur des partis politiques. Moi, je pense que sur les deux sujets, il y a une cause principale que je, euh, moi j'attribue à l'État. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le euh, docteur Badjeima, il y a le principe sacro-saint de la liberté naturelle d'abord, ensuite la liberté politique, qui fait que l'homme, par nature, est un être rebelle il ne s'octroie pas facilement des limites. Parce que même quand il atteint ses limites, il va se dire, bon, je vais progresser un peu. Je pense que le rôle premier incombe à l'État, puisque nous avons un dispositif juridique. Vous avez rappelé la charte des partis politiques. Nous avons une obligation de l'État à assurer, par exemple, jusqu'à euh, certains niveaux, une subvention à des partis politiques. Je pense que l'absence du respect de, de, de l'octroi de subvention par l'État aux parti politiques est d'une des causes de la non-alternance ou du manque d'alternance au sein des partis politiques. Je m'explique. Aujourd'hui, prendre en charge un parti politique demande beaucoup de moyens. Lorsque le parti politique n'a pas un dispositif interne capable de mobiliser à travers les militants avec la subvention des moyens, son fonctionnement repose généralement sur ses leaders politiques qui participent de manière euh, exclusive au fonctionnement du parti, ce qui fait que lorsqu'il y a un congrès, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas participé au financement du parti de faire valoir ses idées, même si elles sont plus pertinentes que celles du fondateur du parti politique. Donc je pense qu'il faut d'abord assurer une indépendance financière au parti politique Ensuite, de l'autre côté, que l'État joue véritablement son rôle de veille au respect des textes en la matière comme la charte politique. Parce que tant qu'on n'a pas un rôle prépondérant et neutre de l'État, parce que l'État n'est pas forcément le parti au pouvoir, un rôle neutre de l'État qui rappelle à tout moment aux partis politiques dans leur ensemble l'obligation de se soumettre aux dispositions de la charte des partis. Donc je pense qu'il y a le rôle de l'État, un rôle indépendant et neutre, et de l'autre côté, il faut assurer une indépendance financière de la, des partis politiques dans leur gestion. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, ça sera difficile d'assurer l'alternance au sein des formations politiques. Maintenant, par rapport à la formation euh, des militants. Je suis au regret de dire à la suite de mon <laughs> grand frère et tonton que les partis politiques ne se préoccupent pas de ça. Réellement, les partis politiques se préoccupent des militants le jour où il y a des élections ou le jour où ils sont à l'opposition et qu'il faut les mobiliser pour combattre le parti en place. Aujourd'hui, je mets au défi un militant de parti politique que vous pouvez questionner sur le programme de son parti politique sur l'idéologie à laquelle se réfère son parti politique, il ne peut pas. Moi, je suis de Lumana, je sais que 99% de militants ne savent pas que Lumana est un parti libéral. Ils ne savent pas ce que ça veut dire le libéralisme. Ils ne savent pas ce que ça veut dire la social-démocratie à laquelle se réfèrent nos partis politiques, la plupart de nos partis politiques qui ne peuvent pas vous l'expliquer. Même les statuts, les règlements, beaucoup ils ne connaissent pas les, statuts, les règlements. Les seuls moments où ils les cherchent, c'est lorsqu'il y a des conflits à l'intérieur des partis. Et là aussi, on prend un article, on le lit, alors qu'on ne sait pas que les articles sont interliés et que parfois ça donne une mauvaise. Donc je pense que même ce rôle, c'est la faute à l'État parce que lorsque l'État ne donne pas la subvention à un parti politique, il ne peut pas obliger le parti politique à veiller à la formation de ses militants. Revenons par rapport à la cybercriminalité. Maintenant, si on parle, moi je, je pense qu'au Niger, il faut qu'on arrête de jeter bébé avec l'eau du bain. On n'a pas une vision globale dans ce pays. On essaie d'amener des solutions par à-coup qui se sont révélées catastrophiques et désastreuses. Prenons l'exemple aujourd'hui des réseaux sociaux. Euh, vous allez en France. L'actualité aujourd'hui, c'est sur l'intox, des fausses informations. Le président au plus haut sommet en parle. Aux États-Unis, vous savez qu'aujourd'hui, le président des États-Unis actuel, il ne parle même plus à la presse. Il n'utilise que Twitter euh, pour communiquer. Parce qu'il dit que les journaux sont là pour véhiculer de fausses informations, ils sont, ils sont partisans et tout. C'est-à-dire, c'est un phénomène qu'on ne peut pas limiter à notre pays. C'est un phénomène qui est mondial. On ne peut pas se mettre un beau matin, prendre des textes dont l'application, on le sait, l'application sera très complexe. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les réseaux sociaux comme WhatsApp, la plupart de ceux à qui on attribue les propos ordinaires, ils ne sont pas au Niger. Ils ne sont pas au Niger, ils sont à l'extérieur, ils sont aux États-Unis. Et là-bas, ça se conçoit Là-bas, vous ne pouvez pas faire un mandat d'arrêt envoyé aux États-Unis et dire que de vous rapatrier quelqu'un parce qu'il a insulté euh, le président Seyni Omar ou le président Hamamad. Pour eux, c'est une insulte aux valeurs démocratiques qu'ils incarnent. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, je pense que l'État se trompe toujours de solution. Le tout répression ne règle pas les choses. Il faut revenir à la formation, la sensibilisation, mettre l'accent dessus. Parce que lorsque vous prenez une loi liberticide, non seulement vous coupez l'herbe sous le pied des organisations dont le rôle est de suppléer l'État et les formations politiques. Vous ne pouvez pas voter une loi pareille et dire que les organisations défendent de la démocratie vont trouver des financements pour sensibiliser le MITA parce que les organisations internationales qui les financent sont réfractaires à ce type de loi. Président Tarugimba, l'exercice démocratique nigérien laisse transparaître que la conquête du pouvoir ne peut se réaliser que sur la base d'une alliance. Quelle est votre lecture au sujet de l'efficacité de la gouvernance des alliés. Je vous remercie infiniment ainsi que votre prestigieuse radio Kalangou. Mais je rends un hommage mérité à Dr Bagué Hima que je connais très bien. Et il a gardé sa vivacité intellectuelle sans, sans reproche parce que moi il fait partie des hommes, des acteurs de la société civile que je respecte. Ils ne sont pas tombés dans les jeux des politiciens. Il n'est mm. pas tombé là-dedans. Il faut lui rendre un hommage vraiment mérité, ce garçon, en souhaitant donc plein succès dans, les fonctions qu'il assume euh, à Bamako. à Bamako. Ceci dit, j'ai écouté les uns et les autres. Mais moi, je serais peut-être très précis. Le constat qu'on fait là de 28 ans ou de 30 ans de démocratisation, c'est un échec clair et net. Je l'ai dit avant-hier à l'occasion du congrès d'un jeune frère Moulay Sidi Ambali, euh, Ambali Hankouri, le parti Hankouri, un allié du président, l'ancien président Maman Ousmane. J'ai dit à la classe politique, nous avons échoué. Il faut accepter le mot dans toute sa grandeur. Parce que l'échec est là, en face de nous, et nous ne savons pas exactement à ce jour qu'est-ce que nous allons léguer aux générations à venir parce que on est parti sur des mauvaises bases et des fausses bases au fait des années 90. Tous les acteurs de la conférence nationale doivent libérer le plancher là où ils se trouvent, quel que soit le parti ou le pouvoir dans lequel ils sont. Parce que la fausseté ne construit rien de durable. On ne fait rien de durable avec la fausseté. Comment voulez-vous Ici, 99% de nos concitoyens n'arrivent pas à s'acheter 100 francs de galettes de leur propre effort. effort. Et on prend une tradition ou des papiers, on fait du couper-coller de l'Europe, notamment de la France, semi-présidentielle au Niger, démocratie intégrale. La première liberté de l'homme, c'est pas de s'exprimer. J'ai bien compris ce que le docteur Bagui a dit, que c'est la chose la plus merveilleuse. Mais la première liberté de l'homme, c'est comment s'éduquer et éduquer son enfant. Comment se soigner, soigner son enfant et, et sa famille. Comment alimenter correctement sa famille. Comment s'assurer que la sécurité de sa famille, l'État est capable d'assurer la sécurité du territoire et l'intégrité territoriale et de la famille et de tous les gens qui circulent Et comment juger les hommes par les hommes Voilà les cinq piliers essentiels qui font un État. De 90 à maintenant, je peux parier que peu de régimes, militaires soient-ils, civils soient-ils, ils ont peu de regard sur ces aspects-là. Or, comme à religion, la musulmane, l'État est sous-tendu par cinq piliers essentiels. C'est ça qui font un État. Et quand ces piliers s'effondrent, il n'y a plus d'État. Aujourd'hui, nous sommes face à un cadavre. Tous ces charognards, hommes politiques, chacun avec sa philosophie. Au fait, la philosophie, ils l'ont pas. Et j'ai dit que le regroupement, par exemple, opposition, majorité non affiliée, c'est péjoratif, ça n'a aucun sens. Le sens qu'on doit donner à la politique, c'est la vraie science politique. C'est de dire, je suis de gauche, je suis de droite, sensiblement de droite, ou de la sociale libérale, ou je suis du centre. Non, aujourd'hui, vous voyez, là aussi, appelle ça du chinkafa de du n'importe quoi. Ceux qui sont au pouvoir, vous allez voir, il y a des communistes dedans, <laughs> il y a des socialistes dedans, il y a des ultralibéraux dedans. Mais ça va donner quoi vous n'avez même pas le minimum, le bas, c'est-à-dire que la philosophie même de votre parti, même les leaders ne la connaissent pas, ils ne la maîtrisent pas. Comme l'a dit Bana, mais <laughs> les gens, ils ne savent même pas les textes. Moi, quand quelqu'un vient adhérer au modèle Maïkta, je dis, prends les statuts et les règlements va les lire. Parce que ça ne sert à rien de faire adhérer quelqu'un juste parce que vous avez quelques billets de banque à lui remettre ou bien un sac de riz à lui remettre l'après-midi et vous en faites un militant. C'est quel type de militant Président Tahirou Gimba, comment apprécier ou expliquer le comportement de certains internautes nigériens Mais c'est dangereux. Parce que je vous ai dit qu'on a pris des chemises qui ne nous conviennent pas. Nous sommes extrêmement pauvres. On n'est même pas au décollage, euh, en voie de développement là. On n'est pas arrivé là-bas. Nous sommes au rez-de-chaussée. Certes, nous avons un pays immensement riche de ses ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, de la vie. Quand vous prenez l'énergie solaire, par exemple, C'est un, des pays pionniers de l'énergie solaire. Mais où est l'énergie solaire Maintenant, <laughs> c'est le Burkina à côté, ou je sais pas où, qui nous fabrique des panneaux pour nous envoyer. Nous sommes incapables de fabriquer une aiguille et on parle de développement. On fait que du théâtre. En réalité, la supercriminalité a trouvé, on a pris d'Europe occidentale, parce que c'est pour nous déséquilibrer davantage, pour leur permettre de pomper nos ressources et s'en aller. C'est tout. Nous perdons notre temps à nous insulter entre nous. Or, nous avons nos règles africaines le droit d'aînesse. C'est vrai, ça ne doit pas être aussi un truc pesant. Bana l'a dit, tout à l'heure le docteur Baye également l'a dit, le jeune frère euh, l'a dit également. Mais il ne peut pas avoir de l'alternance dans les partis politiques au Niger, jusqu'à preuve du contraire, parce que, comme l'a dit Banala, personne ne participe au financement d'un parti politique que le leader. S'il faut aller aux toilettes, c'est le leader qui paye l'eau. S'il faut aussi, on a, on a mal à la tête, c'est le leader qui paye l'aspirine. Bah, les Américains ont une règle simple, qui paye commande. C'est pas compliqué. Voilà. Vous laissez quelqu'un seul payer et le fonctionnement d'une structure nationale soit elle Et vous voulez, non, non, qu'il dégage comme ça, qu'il aille en vacances, qu'il vous laisse de l'argent. Pour... <laughs> non, non, non, attendez, ne rigolons pas. Donc, ce qui fait que ni nous, ni les plus âgés, les moins âgés les jeunes, on est tous de la tourmente en réalité. Nous sommes tous perdus. Parce qu'aujourd'hui, je dit, je suis choqué. Moi, aujourd'hui, je suis non affilié, mais indépendant de tous les courants qui, a de qui traversent les non affiliés. Je ne participe à aucune parce que j'ai vu, je les ai testés tous. Chaque matin, on fait un projet d'accord avec FDDR. On signe. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'on doit trouver. On déménage. On va chez qui ça Y. On signe. Patriotique. On devient, on, devient nationaliste. Mais ça change, c'est les mêmes musiques. Donc, en réalité, personne n'a de repère. Il n'y a aucun repère. L'État n'est pas prêt à cette démocratisation. C'est comme la décentralisation. C'est pareil l'État l'a amené comme ça, là, on dit, bon, écoute, il y a eu des révolutions, on va calmer les fédéralistes, les on va faire la décentralisation, mais l'État n'est pas prêt. Ademou, il est un ancien préfet, il le sait très bien. Moi, je suis un ancien maire élu, je le sais très bien. L'État n'est pas prêt. L'État n'a pris aucune disposition réelle et honnête pour décentraliser réellement le Niger et en faire de ces communes des unités de valeur ou de référence. Docteur Badjihima, comment promouvoir une bonne gouvernance des partis politiques dans la dynamique des réseaux sociaux au Niger euh, Merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi, Mokhtar, vraiment d'apprécier ce que je viens d'entendre. On a mis le doigt sur la responsabilité de l'État dans ses rapports avec les partis politiques et dans la gestion des partis politiques. Et je pense que c'est un élément important que nous devons retenir au cours de ce débat. Mais le diagnostic aussi sans complaisance de Dimba me paraît quelque chose d'essentiel qu'il faut retenir l'échec, le contraire de l'échec. Mais c'est pas l'échec qui en soit pour moi un problème. La pire des choses, c'est de ne pas prendre conscience qu'on a échoué et de continuer dans la même voie et dans les même travers. Alors, bien évidemment, il y a une notion ou il y a une idée que je partage, en tout cas, et je communie avec Pimba là-dessus. Et du point de vue de la fondation, dans mes textes, j'utilise souvent l'expression le coupé-collé constitutionnel. Le coupé-collé constitutionnel, c'est le plaquage en 48 heures le montage de constitutions inadaptées à nos contextes et à nos besoins. Cela ne veut pas dire que nous avons besoin d'une démocratie tropicalisée. Le principe de l'universalité même de la démocratie exige qu'elle tienne compte des dynamiques locales internes. Alors, mais pour revenir à votre question, Mokhtar, j'étais préoccupé quand j'ai entendu parler au moment de la gestation de la loi sur la cybercriminalité. Je dit, mais est-ce que vraiment le gouvernement est bien inspiré ou le Parlement et le gouvernement étaient bien inspirés en initiant ou en proposant cette loi Parce que quand on propose une loi, il faut d'abord euh, circonscrire l'objet ou le problème. Quel est le problème qu'on veut résoudre Pour moi, la loi est allée au-delà du problème. Et donc, pour moi, elle est mal conçue elle est hors mesure. Je suis de très très près les débats, notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense que ceux qui étaient dans l'entendement des législateurs, comment boucler la bouche à des activistes politiques comme Ibrahim Bana ou à des activistes euh, au niveau des réseaux sociaux comme tous les autres concitoyens qui n'ont d'autres espaces d'expression que les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont incontrôlables. Est-ce que cela vaut une loi sur la cybercriminalité Je crois que non. Je crois que non et tous les intervenants ont insisté là-dessus. C'est sûr que les réseaux sociaux on peut, et on dit tout ce qu'on pense sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, les pires travers aujourd'hui, notamment les fake news, mais il y a aussi ce qu'on appelle aux États-Unis les deepfakes. Les deepfakes, c'est la manipulation d'images pour euh, vous faire dire ou vous faire faire ce qui ne vous ressemble pas ou ce que vous n'avez jamais fait ou ce que vous n'avez jamais dit. Ça a commencé déjà en Occident, notamment aux États-Unis. C'est pas encore chez nous. Donc, pour moi, c'est les pires travers des réseaux sociaux, les fake news et les deepfakes. Ça s'appelle deepfakes. Alors, mais le fait que des citoyens comme Ibrahim Bana, comme euh, comme Noah Rika, comme l'ensemble de mes camarades activistes de la société civile ou même les activistes politiques comme les Ibrahim Bana et la possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une nouvelle chose. C'est une nouvelle chose, c'est une opportunité, en tout cas pour la démocratie, que la démocratie doit saisir. Cela veut dire que on ne peut plus menacer dans le silence. On ne peut plus emprisonner dans le silence. Et dès que vous êtes interpellé à la police judiciaire en Ukraine ou au Texas, tout le monde et toute la planète est au courant. Je pense que c'est des opportunités pour renforcer la démocratie que les réseaux sociaux nous offrent. Mais maintenant, le mode d'emploi, le mode d'emploi du point de vue de la gouvernance des partis politiques. Il faut surtout utiliser les réseaux sociaux pour partager ses idées, pour partager ses projets de société, pour partager ses plateformes politiques, pour partager ou pour montrer la différence avec les autres, différence du point de vue du programme, différence du point de vue du projet de société et en quoi mon parti et mon candidat sont les meilleurs pour le bonheur des Nigériens. Je crois que c'est à cela qu'il faut utiliser cet espace-là. Mais maintenant, le, le fait qu'il est à Paris et c'est très présent au niveau de l'animation des réseaux sociaux au niveau du Niger, notre pays. Et c'est valable aussi pour le Mali. Je vois beaucoup de choses similaires en tout cas à ce que nous pouvons lire sur les réseaux sociaux au Niger. Pour moi, c'est pas de la cybercriminalité, mais ça tire beaucoup plus vers la diffamation, les invectives. C'est pas ça la cybercriminalité. Donc dites au gouvernement et au Parlement de ma part qu'ils se sont trompés la chemise est mal cousue et elle est hors dimension, hors mesure. Mais pourquoi il y a ce de réaction au niveau des réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut pas confondre le symptôme à la cause de la maladie. La cause, c'est fondamentalement les rapports tendus entre les acteurs principaux. Les rapports tendus entre les acteurs principaux, les leaders des partis politiques, les rapports tendus entre l'État, notamment le ministère de l'Intérieur et les partis politiques. Et quand on écoute souvent dans les médias quand on écoute souvent certaines passes d'armes entre les leaders, ces passes d'armes-là, j'ai bien envie de faire un article là-dessus pour euh, identifier un travail sur le vocabulaire même des leaders et des partis politiques. Alors, une sociologie de la communication entre les partis politiques. Le rôle de l'État, encore une fois de plus, Mokhtar et chers amis, c'est d'accompagner les partis politiques, de les aider, comme cela a été dit par Ibrahim, par Adamou et par Gimba, d'accompagner les partis politiques à respecter les normes standards, à respecter les textes. Mais quand dans la communication entre l'État et les partis politiques, vous avez des mots, c'est là que d'abord les mots orduriers commencent. Il suffit d'écouter les médias, d'écouter les déclarations de certains leaders des partis politiques. Mais vous voulez que les militants y communiquent comment Quand le leader au premier chef utilise souvent des mots hors mesure et qui jure avec les principes élémentaires de la tolérance politique du respect de la diversité des opinions, de la diversité des opinions politiques. Qu'est-ce qu'on veut que les citoyens utilisent comme vocabulaire ou les militants utilisent comme vocabulaire sur les réseaux sociaux Je pense que la solution sera surtout de pacifier la communication et les rapports entre les partis politiques des deux camps. On peut s'opposer, majorité opposition, mais sans aller dans les invectives, sans aller dans les critiques crypto-personnelles, comme disent les psychologues, dans le respect mutuel. En démocratie, c'est même pas normal que tout le monde ait les mêmes idées, tout le monde soit dans le même camp. La force de la démocratie, c'est qu'il y ait un camp qui gouverne et un camp qui s'oppose. Le résultat, c'est véritablement les citoyens qui en profitent. Adam Uide, comment rectifier le tir Merci. Moi, je pense que le débordement au niveau des réseaux sociaux, et je crois que c'est ça qui vous a inspiré à organiser ce forum. Tout à l'heure, quand moi, à l'entente de mes propos, j'avais bien dit que les réseaux sociaux y a, sont positifs dans certains domaines et aussi négatifs dans d'autres. Tout à l'heure, docteur Himala l'a dit. Si les réseaux sociaux là sont là pour positiver la marche politique, sociale et économique du pays, c'est alors une très bonne chose, c'est une occasion à saisir donc pour discuter politique et pour former les militants. Et j'avais dit qu'au niveau du MNSD, nous formons nos militants. Moi, je sors d'une formation. Je sors d'une formation, je sais ce que j'ai dit. Nous tenons régulièrement des réunions et les réunions sont des occasions aussi de formation. Nous échangeons. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il faut être pragmatique sur la question. Les réseaux sociaux sont devenus négatifs sur le plan politique nigérien. Négatif ou pourquoi Parce qu'il y a un débordement des débats politiques sur les réseaux sociaux. Et ce débordement-là, ça n'arrange pas. je viens, je dis bien, ça n'arrange pas l'atmosphère politique, en tout cas au Niger. Maintenant, pour arranger, vous dites, mais c'est le textes. Comme j'ai dit, les intiques sont une nouvelle donne. Donc, à situation nouvelle, position juridique nouvelle, il faudrait que l'État prenne des dispositions idoines pour contrecarrer les débordements. Je crois que les débordements sont devenus aujourd'hui un crime au niveau des réseaux sociaux. Les gens se disent du n'importe quoi. Traquer la personne, jusque dans le fond fond de ces familles, est-ce que ça c'est une bonne chose au Niger Ce n'est pas une très bonne chose. C'est ce que nous voyons. Ce n'est pas bon. Maintenant, en dehors des textes que l'État doit élaborer juridiquement, il y a la formation. Nous, bien sûr, moi je l'ai dit que les Nigériens ne lisent pas. J'ai dit qu'au niveau des formations politiques, nous avons cette faiblesse-là. Donc c'est cette faiblesse-là qu'il faut indiquer. Inviter nos, nos gens à lire nos textes, à lire la charte, à lire le statut de l'opposition, à lire tous les textes relatifs pour éviter certaines impolitions vitesse criarde. Aujourd'hui, si on a fait des textes pour dire que quelqu'un qui insulte quelqu'un au niveau des médias, la justice est là. Mais qui va insulter qui C'est ça le problème. Donc, Mokhtar, il faut des textes juridiques, il faut une formation adéquate des militants. Sur les réseaux sociaux, il y a des spécialistes. Par exemple, Bana, c'est un spécialiste des réseaux sociaux. Il peut nous dire, c'est lui-même qui est un, internaute parmi nous. Moi, je ne suis pas internaute. Vraiment, Mouta, je te dis que WhatsApp, là, j'ai coupé. Je ne fais pas WhatsApp. Je n'ai même pas un appareil pour faire WhatsApp. Bana Ibrahim, quels pourraient être les impacts ou les conséquences du mauvais usage des réseaux sociaux rapidement Bien, d'abord, il faut qu'on comprenne ce que c'est qu'un média social. WhatsApp n'est pas un média social. WhatsApp, c'est un groupe fermé de personnes. Fermé avec une limitation même de nombre de personnes par groupe. Vous ne pouvez pas dépasser 226, je crois, membres dans un groupe. C'est fermé. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est Twitter, c'est Facebook, qui sont d'obédience publique. Quand tu fais Facebook, c'est public. Maintenant, il faut comprendre tout à l'heure ce qu'a dit le docteur. Les médias sociaux ou les réseaux sociaux, ce sont des véhicules. C'est comme une auberge <laughs> espagnole. On ne trouve dedans que ce qu'on y a apporté. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce qu'il faut noter, même s'il n'y a pas WhatsApp, même s'il n'y a pas la télé, même s'il n'y a pas la radio, le débat politique au Niger a atteint un état de putréfaction. Même dans les fadas, c'est cela qui se dit les invectives, les insultes et autres, c'est cela dans les fadas, parce qu'on a détruit toutes les valeurs sociétales. Donc on ne peut pas accuser les réseaux sociaux d'en être l'origine. Ce n'est que l'expression d'une situation qui est le fait de nous autres politiciens. Donc, puisqu'on ne peut pas empêcher Facebook, puisqu'on ne peut pas empêcher WhatsApp, ce qu'on peut empêcher, c'est les causes qui ont fait en sorte que la situation politique de notre pays s'est détériorée à un tel point. Or, si vous prenez la loi sur la, cybercriminalité, c'est une aberration. Tous les articles qui sont dedans, qui concernent la diffamation, les insultes, les injures publiques et autres, existent déjà dans le code pénal. On a pris juste ces articles, on a alourdi la peine encourue et on les a mis dans le texte qui, à l'origine, je le rappelle, devrait permettre à l'État de combler un vide juridique dans la répression des infractions commises par voie électronique. C'est-à-dire aujourd'hui que quelqu'un parte dans une banque, rentre dans le code source de la banque, permettre de faire des transferts d'un autre pays pour que les... C'est cela la cybercriminalité, c'est ça ou le cyberterrorisme qui n'existait pas dans le code pénal à l'époque, c'est cela ce que les législateurs avaient en tête de régler. Mais arrivé au niveau du gouvernement, comme l'a dit docteur Hima, au niveau de certains ministres ou de l'Assemblée, on a dit non, il y a Ibrahim Bana chaque matin, il dit qu'un tel a détourné telle chose. Mais ça, si Ibrahim Bana le faisait, la loi déjà pénale prévoit la diffamation. Quelqu'un peut attaquer Ibrahim Bana pour diffamation, même avant la loi sur la cybercriminalité. Donc, comme l'a dit docteur, je pense qu'on s'est trompé de mesure. Au lieu de prendre des lois répressives, la classe politique doit faire son mea culpa et se dire qu'il y a des limites ou des frontières qu'on ne doit pas dépasser dans le cadre d'un combat politique. Président Tahirou Gimba, comment améliorer la qualité de la gouvernance des partis politiques avec l'accompagnement des réseaux sociaux rapidement Pour moi, c'est également très simple il faut d'abord révisiter la charte des partis politiques. Et en ce sens, c'est un droit à tout Nigérien, à l'âge requis, avec la moralité, tout ce qu'on veut, de créer un parti. Mais je pense que quand on crée un parti, c'est l'ambition de vouloir d'apporter un programme ou un changement qualitatif en faveur de, de la masse populaire, ou de l'ensemble du pays, ou de la gouvernance du pays. Mais je pense qu'il n'est pas mauvais que nous acceptions nous-mêmes nos faiblesses et que nous voulions les corriger au lieu de s'entre-déchirer sur des choses qui n'ont pas de sens. Donc, en revisitant la charte de parti, il faut inclure, j'ai dit, et très rapidement, que tout celui qui n'a pas fait son service civique réel, <laughs> oui, c'est important, parce que le service civique d'aujourd'hui, c'est un guichet de distribution d'argent. Il faut arrêter cela. Donc, celui qui n'a pas effectivement fait ni un service militaire minimum de 24 mois, ou un service civique réel, par exemple. Si par exemple aujourd'hui je sors médecin et qu'on m'envoie enseigner la science naturelle à Bilma pendant un an, <laughs> je sais de quoi il s'agit. Donc il faut limiter ces dégâts-là. Et celui qui n'a jamais eu un mandat électif, même de conseiller municipal, on ne doit pas l'autoriser à créer un parti. Parce que l'État, ça s'apprend. L'État, ce n'est pas les diplômes. PhD ou quoi, agrégé de ceci, c'est pas ça l'État. L'État, un certifié ou presque même un alphabète qui prête attention, qui est intelligent, peut se tirer d'affaires mieux que le professeur agrégé de ceci ou de cela. n'est pas de cela qu'il s'agit. Personne ne peut changer le Niger par une baguette magique tout de suite en 10 minutes. Mais j'ai dit qu'il faut réviser la charte des parti politique. Le premier garde-fou à mettre, en dehors de la, nationalité d'origine, mais la moralité et autres des candidats, j'ai dit tout celui qui n'a pas effectivement, pas le service civique qu'on fait maintenant, hein, ou distribuer l'argent au neveu là, c'est pas ça. Ça c'est pas un service civique parce que le type il ne sait même pas dans quel coin on l'a affecté, il est à Niamey assis, il vague à ses occupations. La fin du mois il va toucher ses 75 000, 50 000, c'est tout. Ça c'est pas un service civique. Mais maintenant quand tu prends, je dis un ingénieur de eaux tu lui dis écoute, tu vas à Gingimi, au CG ou au lycée de Gingimi, tu vas enseigner telle matière pendant un an. Il sait qu'il a effectué un service civique ou le service militaire, il est obligatoire. Et je pense qu'il faut les intégrer. Tout celui qui n'a pas un mandat électif une seule fois dans sa vie, ne doit pas être autorisé à créer un parti politique. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Adam Ouidé, rapidement, rapidement en, 30 secondes. avant de finir, je pense qu'il ne faut pas laisser docteur Hima à distance sur sa soif. Tout à l'heure, nous avait posé des questions à savoir combien exactement y a-t-il de partis politiques au Niger Non, moi, je ne sais pas comme ça ma formation politique m'a permis. Moi, j'ai à mon agenda 112 partis politiques. Les réseaux sociaux et l'Internet, en marge de leur caractère utile, constituent aujourd'hui une véritable source de préoccupation à travers notamment les risques d'entrave à la liberté d'expression ou d'opinion des droits certes garantis par la Constitution, mais qu'il est nécessaire d'encadrer comme dans toute démocratie. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone Dr Badjehima, philosophe et militant des droits de l'homme, Adamou Hide, secrétaire de la communication du Bureau politique national du MNH de Nassara, un parti de la mouvance au pouvoir, Ibrahim Bana du Modène Lumana, membre du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR et Tahirou gimba président du mouvement démocratique pour le développement et de la défense des libertés modèle Maïkata, membre du groupe des non-affiliés. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.